yaakaar bu si ànd ak Maodo Malick may mooy ñun dañoo tàmbali woon ci ñoonu programme boobu président Macky Sall tuddee woon PSE parce que daf ñu si fekk PSE boobu nag si lañ tàmbali depuis six ans di courte courte aujourd'hui nga xamante ne noonu la noonu la ñu mobiliser tey ñi ngeen fi gis ñëpp ku si nekk présidente nga ak secrétaire général bu amee parce que les moyens sont très limités pour que avec bi yëpp daal di ñëw déplacé wu donc président yi yëpp tey ñoom ñoo dajaloo ni ma lu ma wax ñoom ñoo ko wax lu ma def ñoom ñoo ko def sànq yéen a ko amandé léegi wax ji mun na bañ a sori Maodo Malick Mbaye dañ ko sollicité benn yoon mu fay ñu fukk ak benn fukk ak benn boobu laa bëgg a lim commencé ko si benn bi dañ ko woo mu ne maay ñëw daal di daw ñëw. suñu ay bët xonk mu ne maa koy weexal daal di daw ñëw weex du ko ñu jaaxle trop pour def suñu ay mobilisation journée bi menacé wu pour yàqu mu daal di ñëw taxaw di ko def di ko def di ko def ba bu nekk fukk ak benn moo tax tey ñu war ko fay fukk ak benn daal di koy sax wisaalee benn muy fukk ak ñaar léegi lii ñu teg bët fii nii moom mooy électorat bu indécis bu Thiès ñii ñu gis nii dolen leen gis ci ben album politicien ñom ñoo tok toog bëggoon di jot rek di dal di jël jënd ay carte for ku leen neex ñu duggal ko fa léegi nag loolu lañ bëgg changer aujourd'hui dañu bëgg yëg ni lan moo tax ñu nam and ak modo malik ci liggéey bi moy ñepp xam nañ ni président Macky Sall département bi la gagné won waye musul gagné commune waye inshallah ren élection yi ni di ñëw bu sama yalla dañu bëgg a liggéey de sorte que moom dina yéeg ni commune bi gañe ko te réseau pour la solidarité et le développement dugal na si loxo. taxaw na ba pare. donc kon premier tour lañ koy def de amul deuxième tour amul ragal jour élection yeewu huit heures sañse ba rafet dem jël Macky Sall dugal ko si enveloppe bi daal di gagné premier tour bi si Basir Moro doon Mbaye politique amul jappo amul jàppale ba de amul jàppale ba moo doon Malick Mbaye jappo lañ wax la main da la main pour gagnal Macky Sall ci élection inshallah ci commune bi bu soobee Yalla légui fi ñu talé taanelee kàddu bi moom moy di gëreum gërëmaan ñëpp di santaan ñëpp di gëreum ñëpp di sant ñëpp di daanel fofu cadeau gi parce que nak li ñuy dem ni inshallah am nañu benn mémorandum bu nga xamante ni Babou Dia moo ko yore foofu laa waroon tàmbalee sax parce que yéen Sega rek wax mais du Sega Sega ak Babou Dia la lu ñu mun ginnaaw yàlla Babou si ginnaaw ak c'est important ñëpp am loolu wax ni débrouillé nañ ba am quatre terrains quatre terrains yi nag si cadre PSE bi dañu bëgg président daal di ñu koy tabaxal ba mu gënee gaaw def nañu quatre terrains yi defar nañu devis bi defar nañu également kii euh, projet de budget bi ak kii bi yëpp pare na léegi mu ngi nii moom lañu teg si Maodo Malick Mbaye ak Mimi Touré ñu doxal ñu ko président pour que ñu tabaxal ñu ko incha jigéen ñi daal di am seen daluwaay bi lii daal dañu bëggoon a wax pour gàtt. ñu ngi gërëmaat ñëpp encore une fois di leen wax ni ñun ak yéen ci kanam a kanam a ku ñëw fekk ñu si dinañ dem bu soobee yàlla ku dem bàyyi ñu fi tamit ñuy continuer di dem wasalaam. président du mouvement comme un allié sur lequel on peut compter. Le choix porté sur mon Malick Mbaye se justifie par sa probité morale, son sens d'écoute incommensurable aux populations thiessoises, son engagement total sur le terrain à œuvrer sans relâche pour le rayonnement de caisse dans le giron national, son humilité, son accès facile et sa détermination permanente à donné corps à la vision du chef de l'État en parfaite collaboration avec toutes les forces vives à en sans au aucune. Permettez-nous avant tout de souhaiter au nom du réseau la bienvenue de notre distinguée invitée, Madame Mimi Touré, ancienne Premier ministre du Sénégal et responsable nationale au niveau de l'APR. Madame Mimi Touré mérite amplement nos remerciements car son soutien nous a jamais fait défaut. Votre présence à côté du président de la République est toujours gage de succès. Le GIE Réseau pour la solidarité et le développement Seydina Mohamed Rassoul, est une structure de développement communautaire local intervenant dans tout le département de caisse. Il enveloppe à son sein 200 groupements, soit 3000 membres, dont 95 de femmes. Les réalisations du réseau sont les formations sur les techniques de transformation des fruits de légumes et céréales locales, formation sur le dynamisme organisationnel, mise, sous pied du crédit revenu pour les femmes du réseau, formation pour la production du savon Javel conservation de produits aléatiques. capacitation des femmes en entrepreneuriat, leadership et gestion acquisition et attribution de 250 parcelles dans la zone de koloban à Organisation des journées de consultation gratuites en ophtalmologie, dépistage du cancer du col de l'utérus VIH-Sida. Dans le cadre de l'encadrement des financements des femmes à travers les AVEC, 1,6 milliard de francs CFA a été distribué pour le compte de l'année 2017 les réalisations entamées depuis six ans ont été faites avec l'appui de partenaires au développement sans aucune forme d'engagement politique. C'est l'occasion de les remercier vivement. Cependant, dans le souci de mieux accentuer nos domaines d'intervention au seul bénéfice des populations, nous avons comme ambition de bâtir une maison communautaire pour les femmes mettre sur pied une unité de production céréale locale, la participation du réseau au FORA, création d'une structure de microfinance, la mise sur pied d'une mutuelle de santé, formation et financement des femmes au maraîchage, embauche et l'élevage. Dès lors, on a compris que pour réaliser ce noble dessein, nous avons le devoir de s'engager dans la politique. Certes, en six ans, nous avons fait du chemin avec nos propres moyens. Mais aujourd'hui, la taille du réseau et l'ampleur des objectifs font appel à une meilleure implication de l'État. Objectivement, la vision déclinée par le président Macky Sall à travers le PSE cadre avec notre feuille de route. Si aujourd'hui, le mouvement Gonsabo a trouvé un écho favorable au niveau des femmes du réseau, c'est parce que son leader a adopté une démarche novatrice basée sur le développement des produits de toute politique politicienne. La femme est l'incarnation du dynamisme, du renouveau et de la rigueur. C'est ce que le président Macky Sall a compris en inscrivant en rupture avec les pratiques comme la corruption, la malgouvernance et la gabegie entretenues par des figures politiques qui ont toujours dominé la vie la politique nationale. En effet, le président de la République, depuis son accession à la magistrature suprême, a nommé de plus en plus de femmes à des postes au sommet de l'État. Les récentes nominations de femmes cadres à des postes de l'administration territoriale en une parfaite illustration. Le président de la République veut une rupture avec les pratiques malsaines qui se cadrent guère avec l'émergence. Il parle alors désormais Comptez sur le réseau pour mener à bien sa noble mission de renouveau, de progrès et de développement à Thiès. Le message est, clair. L'intérêt commun prime sur l'intérêt individuel. Nous, braves femmes, sommes donc engagées à imposer la rupture par le changement des mentalités politiques. Nous, femmes réunies ici, en cette occasion solennelle, déclarons devant le président et les membres du comité directeur, Mouvement Gomsopop, notre entière détermination à relever le défi à Thiès pour réélire le président Macky Sall en 2019 dès le premier tour. L'heure de la révolution a sonné à Thiès et nous en sommes garantes. Vive le GIE Réseau pour la solidarité et le développement. Vive Maudo Malik Mbaye. Vive le président de la République, Macky Sall. Merci. Merci beaucoup. jërëjëf. damaa ñaan ñaari minutes ndax dama bëgg dem dafa am gor su baax soo xam si ne yéen ñëpp tey moo leen dajale fii mu jima teranga te nit su la jiyee teranga uxal na la moo tax. ma nek ku suba legi ñu wo ma telephone ni ma Maodo malik Mbaye moy mitin mané duma dem Dakar mukk te jaaluma ci mom bam gis ndax ta wat wax na ni su sene malik day sama wayjur nak day wax ni am ko ta xam ko mo gën am ko ta xamoo soo ko amee ta xam ko boko ko di nga xam li nga amon lan amé ta ko ko wuri ndax xamoo li nga amon Wajah ini, nii kii moo président Macky Sall ni ko teguma la benn intérêt il dëppee ko Sidi Aji Malick mu ne woon bu la sama mala suy naa si bi làq bi ko jëbbay Patrick Berman Kumba Jam Penda Penda Penda mu président Macky Sall président Macky Sall wax wax jubal dong ji dañ bàyyi wax ci te liggéey kii mooy liggéey loolu dong la wax ci ndax wax sama sama jur nee na aw làmmiñ boo jotul añ doo ca reer gàttal ko boo ca añ ca na foo toll dañ koy wax jubal dong la ci liggéey da bàyyi wax moom day liggéey tooy bëliwu ci dara wax loolu la président Macky Sall soxlaat bi mu jëlee réew mi nekk xale bi nga xamante ne fekkoo indépendance te réew mi wutu fi mag ñi dañu bàyyi naa leen nag wax ji man liggéey a soxal

dem fu ne ngir jàppale ki nga xamante ni mooy président Macky Sall asgor ñaari nit bu ñu àndee taw digaale ay kaddu yu góor dañuy def yëfi góor waaye ànd ak nit digaale moom kaddu yu góor ba pare wàcc ko fa dem sa yoon loolu du yëfi góor dafoo loolu président Macky Sall kon bu ñu fekkee si yëpp dañu dajeeg yow Ndakaaru nekkoo ci bu boîte de nuit yi nekkoo ci discothèque yi taxawaalu woo ba yàqu wala nga ni doomu Cees nga xam nga ki nga doon am nga fulla am nga fayda boo meloon neneen ñu romb ndax ñun jiwal baaxuñu waaye ku baaxul bëgguñu moo tax yàlla yàlla guddal sa fan nga ànd ak nag koo xam si ne bàyyam doomu ko raw nañu ba tay ci ginnaaw muy Aliou Ndiob Makodou Birame ñii. bii da ngeen toog rek aw seet ni ko doon demaat demaat aw may mën a yore soo àndee ak man dembaane ama bay maam moom la njëkk a yàlla yore ci xeex ba ci kul soo àndee ak moom bala ngaa dee moom moo njëkk a dee ba pare soo ne am da ngay ànd ak góor